السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماغي تودو محمد منيرو غاي دي يوري لب لو اديو تي والو ريليزي تي اتابليسمان مرام فواياج نيك في تي دكار گل تابي واو سانت يالا تاي جي داجي بيغا خامتيني موم لا نيو دون ديف regroupement بيغا خامتيني موي regroupement اتابليسمان مرام yàlla dafa dogal bu aj màkka gi jegesee dañuy jël lu mat weer woo xamante ni ujaaj yi ñu fas yéene yóbbu dañ leen defal formation jàngal leen ba ñu mën a xam la nga xamante ni moom moo leen di xaar yàlla dogal nag tey jii nag ñu doon joxe document yi lu aju ci wàllu fa tabarakallahu seen seeni visa seeni i billet d'avion jox leen seeni i passeport seen i carnet ak lépp lu ci aju waaye doon tàggatoo ak ñoom jox leen seen saak mooy saak yi nga xamante ni moom ngeen gis ndax xam nga état Sénégal mu ngi ci 12 860 yoo xamante ni mooy jóge Sénégal ci biir loolu nag ay regroupement la regroupement bii nga xamante ni établissement Maram moo ko jiite mu nekk ci trois cent quatre-vingt et quelques pèlerins yoo xamante ni ñoom la ñu fas yéene àndal dem fi nga xamante ni mooy màkkatal mukarram waaw sant yàlla sant yàlla ndax xam nga aj màkka bi nga defee sa visite ñu xamal la ñu apt nga mbooleem ji nekk fii xamal nañ la ñu apt ngeen bi ñu ñëwee tamit lépp loo xamante ni lu ñu war a wut la regroupement bi di établissement Maram taxaw na ci ba am nañu ko mooy seen passeport mooy lan seen visa mooy lan seen billet mooy lan li nga xamante ni fa tabaarakallaahu bépp document bu ñu war a yóbbu lépp yemb na bis ki tey jii ñoom nga seen ujaaj yi kenn ku nekk jox nañu la ko tey te des na quelque jours ñu war a dem macha allah sant yàlla ci loolu alhamdulilah waaw li ma ciy yokk rek fa tabaarakallaahu mooy la suñu kilifa alxaaji Idrissa ngay daan wax aj màkk daal dafa war a saf sàpp yàlla ولا فسوق ولا جدال في الحج كيرم مكة بمو داغ سانتي بمو خلو بمو تياخان بمو كف نا خامتاني جامو يالا موكو يوبو كون نيغي نيان يالا يالا يوبو سي جامو ني فك فا جامو ديل سوات سي جامو يالا ديفال مبولم اوجاج يي جوغي سنغال اك دك بيمو نيو جوغي حج المبرور موي اج يالا اج بو يالا نانغو غا خامتاني ليس له جزاء الا الجنه يونت بي نانا امول فاي لودول الجنه يالا نكو يالا ديفال مبولم اوجاج ديم ان شاء الله رب العزه Je suis le mari à Maram, qui est actuellement euh, la représentante du regroupement Maram Voyage, donc qui regroupe 11 agences de voyage et elle est à la tête de ces agences. Donc, nous, notre rôle. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus facile le Qu'est-ce qu'on peut en Bon, en somme, tout a été déjà fait. Parce que sur le plan religieux, comme vous l'a dit Mounir, tout a été expliqué. Les gens sont bien imprégnés. Donc tout ce qui est religieux, parce que, euh, disons, le pèlerinage est essence religieuse. Donc, pratiquement, c'est Mounir qui est plus important sur ça. Donc, madame, et nous tous qui sommes là avec euh, John, nous, nous sommes là pour la logistique pour soutenir Maram dans, dans son travail. Donc, mais en ce qui concerne la religion, je vous dis bien que vraiment tout a été bien précisé. Et Mounir a été assisté de Imam John, de Imam Daoud qui est là-bas. Donc c'est des gens eux-mêmes qui sont des groupements qui sont au sein de groupement Maram. Et d'autre part, il faut souligner la présence du docteur euh, Diagne qui est là. Donc je crois que sur ce plan, tout est déjà bien ficelé. Oui, sur le plan logique, tout a été fait. Parce que Maram s'occupe de la partie administrative avec euh, ses collaborateurs qui sont là, dont ses enfants particulièrement, et nous-mêmes qui l'assistons. Mais donc, sur ce plan, tout a été déjà ficelé. on est en train de faire la distribution des paquets et tout, quoi. C'est-à-dire euh, les sacs, euh, les badges, tout ce qui est, par exemple, afférent à ça. Donc, tout est déjà ficelé. Il nous reste maintenant de partir à la Mecque dans de très bonnes conditions et je crois que ça se, passera, Inch'Allah, convenablement. Bon, alors, euh, ce sera une répétition parce que Mounou l'a dit particulièrement en, Wolof. Donc nous, on le dira en français, c'est, disons, la discipline et le respect de l'un vers l'autre et la patience aussi. Nous, nous demandons vraiment d'être patient, vraiment d'être patient, surtout parce que les, pères, souvent, c'est la patience qui manque. Et on commet, faute de patience, on commet beaucoup d'erreurs. Et ce qui porte préjudice au regroupement. Donc, euh, j'exhorte aussi tous les membres du regroupement à nous soutenir, à se soutenir eux-mêmes et à tout faire pour que tout se passe très bien. Oui, nous souhaitons, un dans les très bonnes conditions. Ça a été toujours. C'est des années que nous faisons ça. Bon, nous avons un certain nombre d'expériences là-dessus. Donc vraiment, nous souhaitons que cette année ci ce sera la même chose et tout se passe dans les meilleures conditions. Donc ça fait 382, 83 je crois. Et vraiment tout se passera Inch'Allah comme d'habitude. Oui, agent voyage Maram man dama mon chance de voyager avec Maram Daou. Je vois vraiment nit ñu ci 2023 Mani, ni ren su may pour Adja Kane aussi man ma dem et d'ailleurs je l'ai fait et je suis venu même en naa ak sax benn suma benn suma benn jabaru mag boo xam ni maa ko fi indi pour mu voyager te boo gisee mbooloo mi nga xam ni ñi may waxtaan ñëpp dañuy retour yi am en tout cas au niveau des évaluations de leen di indiquer établissement ram et c'est que non, laa leen xamee d'ailleurs en 2023. xanaa xanaa xel mu dal parce que. Euh, ci préparation bi defal nañu ay séance de formation fàttali ñu suñu ponku yi nga xamni mom moom wara euh andal a bu ñuy dem ci Dakar ci bu ñu Medina Medine Médine bu ñu Makka donc formation vraiment leer na suñu bop da gis nga buñ koy répéter ñëpp koy xam donc ensuite euh, sur le plan religieux euh and nañu oustaz yoo xamni am nañ farlu te mara aussi ko xam xamni ni ku mën a taxaw ay jaajam la lépp yemb nañ parce que jot nañu sunu passeport jot nañu visa yi jot nañu tamit euh, suñu billet avion carnet de vaccination yi def nañ ko donc lépp yemb na ñu xanaa ñuy ñaan rek kenn bañ a manqué ñëpp ànd ak wér ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim n'est-ce pas def aj bi ñibbi siwaat ak alhamdulilahi rabbil alamin merci beaucoup